Je me nomme Elage Malik Diallo, coordonnateur de MIMI 2024, Mouvement pour l'intégrité, le mérite et l'indépendance. Bonsoir, chers membres de MIMI 2024, Mouvement pour l'intégrité, le mérite et l'indépendance. Bonsoir, chers journalistes. À l'heure actuelle, le climat politique du Sénégal offre l'image la plus sombre de son histoire démocratique nous assistons sans cesse à la violation des textes constitutionnels et réglementaires de notre pays. La dernière qui nous interpelle est le forcing honteux de notre institution parlementaire en violant manifestement les articles 60 de la Constitution et l'article 7 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour exclure un député du peuple. Nous interpellons le président de la République, gardien de la Constitution, comme aime bien le rappeler le doyen Ajma Soumbaï, a sifflé la fin de la récréation. Cher grand frère Macky Sall et président de la République, Madame Aminata Touré n'est pas votre ennemie, même si aujourd'hui le contexte fait d'elle de votre adversaire, car elle a choisi l'opposition. Madame Aminata Touré mène un combat de principe. Jamais elle ne s'attaquerait à vous personnellement. Votre trajectoire doit vous édifier. Je n'en dirai pas plus. Les Sénégalais doivent aujourd'hui compter avec la naissance d'un mouvement Mimi 2024, mouvement pour l'intégrité, le mérite et l'indépendance. Nous irons, Inch'Allah, demander aux Sénégalais de nous faire confiance et permettre au docteur Aminata Touré de conduire les destinées de notre pays afin que l'émergence devienne une réalité. Sénégalais yi am nañ xel Sénégalais dañuy réfléchir Tay madame Aminata Touré su fekkoon dafa tok fofu né parti partigal ñom lañu ñu nangu ñu nangu ko kon moy nek présidente assemblée kon madame Aminata Touré su fekkoon dafa tok fofu du wax dara luñ ko def mu né gongo kon ba tay ma nga tok fofu nonu amé ay lengeewam mais gëm gëm gëm gim gëm ne Sénégal troisième mandat waru fay am moo indi lii may wax nag le président de la république que mu delloo si xelam parce que madame Aminata Touré guddil na ko bëccëgal na ko te àdduna du neex ba mu génnee lu ñaaw nag ci làmminam pour wax ko le président Macky Sall parce qu'elle est comptable lii ñu def ñoom ñoo ko bokk def madame Aminata Touré lu nekk defal na ko euh, monsieur le président Macky Sall kon tey bu mu toog ba heure bii mu di ko fayee lii li ñuy ñaawlu nag mooy lii am xeex bi ak xoqatal bi intimidation bi ça ne passera pas ni ñu ñuy xoqatalee ñun ragaluñ madame Aminata Touré def na point de presse ay aji mergaan kanute di génn ay bongre madame Aminata Touré ne boxe pas dans le même ring que toi. mais lii yëpp luy jeex la defar nañ suñ mouvement te inshallah allah rabbi dañuy dem élection 2024 fu jigéen nekk fu mag nekk fu ndaw nekk. Le calife général nek dinañ dem sété ko tatane batu askan bi pour ñu pour a fi inshallah remplacer le président de la république au soir euh, du mois de février 2024